Mon quotidien d'aujourd'hui, dimanche 20 octobre 2024. Thème Le poids éternel de gloire. Le poids éternel de gloire. Thèse lecture se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous à partir du verset 6 à 18. Car Dieu qui a dit La lumière brillera au sein du sein des ténèbres, a brillé la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Dieu, de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, de la détresse, mais non dans le désespoir persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Pourtant, notre portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous, en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pour, cru. C'est pourquoi j'ai parlé, non aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Christ, le Seigneur Jésus, nous ressusciterons aussi avec Jésus. Il se fera paraître avec vous et en sa présence. Quand tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en, se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos lèvres, bien le légère affection du moment présent, produisent par nous au delà de toute mesure. Verset 18. Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non le point aux choses visibles, mais à cause de celles qui sont visibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Gloire à Dieu. Verset clé, c'est le verset 18 et 7. Car, car le Niger, affliction, du moment présent, produit pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Selon un article paru dans la Christianité, dans Christianity Today, 13 chrétiens sont tués chaque jour dans le monde en raison de leur foi. 12 églises ou temples sont attaqués de la même manière, tandis que 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou, même incarcérés et 5 autres sont enlevés. La souffrance des croyants en raison de leur foi a considérablement augmenté dans, le, dans de nombreuses nations du monde. Pourtant, pour le croyant, plus de, plus de persécution est féroce, plus, plus grande est la gloire qui l'attend. La liste des épreuves subies par les croyants ne peut que s'allonger car le diable voit sa fin s'approcher à grands pas. Il est désormais plus inclin de rester implacable dans l'orchestration de troubles comme il l'a fait à l'égard de l'apôtre Paul. La lui dit, sont-ils ministres de lutte de Christ je parle en, je parle en homme qui est stavague. Je le suis plus encore par des travaux bien plus, par des coups bien plus, par des emprisonnements plus bien, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu de Juve 40 coups, moins un. 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai été naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui, de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en périr dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril dans les mots frères, dans les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 27, ces afflictions subies pour l'amour de Christ ont grandement encouragé Paul. Nos difficultés actuelles sont relativement petites et de courte durée par rapport à la récompense que Dieu a prévue pour nous donner. Mais comme il est écrit, ce sont, ce sont, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour la gloire incommensurable, immense et éternelle. Nos afflictions sont légères comparé à ce que le Christ a souffert pour nous, aux bénédictions dont nous jouissons et à la récompense que Dieu nous réserve. Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul les qualifie de légères souffrances ou afflictions. Nous ne devons pas être consternés, découragés ou abattus à cause des problèmes qui surviennent lorsque nous suivons le Christ, mais plutôt nous réjouir et nous encourager dans le Seigneur en le servant de manière beaucoup plus déterminée. Amen. Pensez du jour. Ne subissez pas l'affliction à cause d'une mauvaise action. Ne subissez pas l'affliction à cause d'une mauvaise action. Amen. La Bible en un an, Apocalypse chapitre 21 et 22. Apocalypse chapitre 21 et 22. Amen.